plein il est 11h, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu. Bonjour et bienvenue sur votre toute première émission de la semaine. Au micro, c'est Rabia Mekano et à mes côtés, Ali Munkaila Ousseini alias Seno. Bonjour Seno, ça va ce matin Ouais, ça va bien Rabi, Alors, euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Seno, nous débuterons cette édition comme d'habitude avec le flash d'informations. Nous aurons la rubrique justice de chaque lundi. Nous ferons également un tour à Gingimi dans la région de Difa pour le reportage région. Eh bien, Rabi, c'est pas tout. Euh, comme invité euh, de cette édition, nous recevons euh, dans ce studio l'artiste, chanteur, auteur, compositeur Ousmane Abdrahman Kal pour les mélomanes. Il nous parlera de sa carrière, des opportunités et difficultés qu'il rencontre dans son parcours. L'édition est assurée par Fanta Chamsou et à la technique, nous avons Kader Chambiano. Chers auditeurs, nous commençons cette émission par notre flash d'information présenté par Nafi Sirfo. Bonjour Nafi. Bonjour Abi, bonjour Seno. Bonjour. bonjour. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu. Bienvenue dans ce flash. Fin de course pour le MENA Espoir du Niger à la Cannes U23. Dans le cadre de la troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations U23, l'équipe du Niger a été battue le samedi 1er juillet à Rabat au Maroc par les Aiglons maliens sous le score de 2-0. Le MENA est un ainsi éliminés pour la suite de cette compétition. Dans la poule B, l'Égypte et le Mali se qualifient pour les demi-finales pour lesquelles l'Égypte jouera contre la Guinée-Conakry et le Mali contre le Maroc. Hajj 2023, le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Omra a tenu hier dimanche en Arabie saoudite une réunion avec les différents chefs de groupe d'agences de pèlerinage. Selon le quotidien Le Sahel, plusieurs points ont été abordés, notamment le planning du retour des pèlerins. Ainsi, selon le commissaire, Ethiopian Airlines débutera ses vols le 13 juillet, la compagnie Flynas à partir du 20 juillet et Max Air dans les prochains jours. Il a annoncé par la même occasion que le quota de 15 891 pèlerins a été reconduit pour le Niger. Enfin, à l'international, le Conseil de sécurité a adopté vendredi une résolution pour laquelle il met fin au mandat de la mission des Nations Unies au Mali, la à compter du 30 juin 2023. Le Conseil ordonne ainsi le retrait de la d'ici le 31 décembre 2023 dans sa résolution, le Conseil, tout en constatant que la situation au Mali continue de menacer la paix et la sécurité internationale, a noté que dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité, le gouvernement de transition malien a demandé le retrait sans délai de la C'est la fin de ce flash. Merci. Merci, ça. à bientôt. Chers auditeurs, euh, comme annoncé euh, dans cette euh, édition, nous recevons l'artiste auteur-compositeur Cal. Bonjour et merci d'être de notre dans cette édition. Et bonjour, bonjour, M. Monsieur Seno. Voilà. Et bonjour à toute la population qui est en train de nous écouter. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et vous êtes pro, hein Voilà. <laughs> Mais avant de donner la parole à notre invité, Cal, nous allons d'abord écouter l'un de ses titres. Il s'agit de Zamandounia, un titre qui cartonne comme pas possible depuis sa sortie à aujourd'hui. Cher auditeur, Zamandounia pour vous. ma princesse. Donne-moi ton cœur, je verrai ton bonheur. Sois juste sincère et tu me verras pas ailleurs. Mon cœur ne fait que parler de ton amour il est calé. Loin de toi, je suis pas comblé. J'essaierai condamné. Mon cœur ne fait que parler de ton amour, il est calé. Loin de toi, je suis pas comblé. Je serai condamné. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris. ça avec toi que je finirai ma vie. Toute ma vie, Zamandunia. Amini C'est se ahankali. Yeah masoyiya ta sai a hankali iye iye zaman niya aminiya ta taze ahankali Et eh oui, ça se passe en direct live, hein Ici dans le studio. <laughs> C'est l'émission de l'univers sur Talango, c'est Yeah. yaya zani don in samu mu aure dalilin soyayya na yi rayuwa ta ya sake fata nike yi ko zan samu in dace kowa samu kauna ya rike ta amana ya yi nisa da zamba wata ran zai murna kowa samu kauna ya rike ta amana ya nisa da zamba wata ran zai murna ina ga fata mama da baba oh, kuba amina zaman duniya se ahal tadi Ay, ay, ay Perşoğlu döneceğiz bakalım Masohiyata se ahal tadi Ye, ye Zaman dunia Aminiyata se ahal tadi Hey Zaman dunia Masohiyata se ahal tadi Dunia, mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, on espère tout simplement que vous avez kiffé. Nous sommes avec l'artiste Cal. Alors Cal, parle-nous un peu de vos débuts. Comment euh. vous êtes arrivé dans la musique Eh ben moi je suis dit que en fait, on est artiste, quoi. Genre, euh, c'est le se pas un beau matin et dire, bon, je décide de devenir artiste. Mhm. Moi, dans mon cas, je, je me dis qu'on est artiste et aujourd'hui, c'est que je vais vous dire, et peut-être les gens avec qui moi je, je fais l'école primaire, ils peuvent le confirmer. Moi, je me rappelle quand j'étais en classe du CMD, à ce temps-là, il y avait les élèves maîtres, Comment on les appelait. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, à, la fin du, du, cours, des fois, quand le programme est fini, on n'a pas de choses à faire. Donc, on nous demande de réciter ou de chanter. Et moi, je chante les chansons de Adams Junior. Et donc, dès là, j'étais devenu un peu la star, de la classe, un peu de l'école, ah Donc, pour te, dire que, voilà, donc, pour, te dire que, voilà, on est, on est, on est artiste, on grandit comme ça, quoi. Et moi, je, je, me dis que, et comme je disais dans une chanson qui s'appelle Music is my life, euh, j'ai toujours dit, à un certain moment dans la vie d'un homme, tu seras obligé de faire un choix. Mhm. Qu'il soit bon ou mauvais, forcément, tu dois suivre une voie. Mhm. Et moi, j'ai déjà fait mon choix c'est la, musique. On vient d'écouter Zamandounia, <laughs> n'est-ce pas, Rabi On vient d'écouter ouais, Zamandounia. Belle reprise de celle de Abdou Salam. Tu l'as. Euh, cette reprise, elle date de quand euh, Je pense que ça date de, de 3 ans comme ça. 3 ans, 4 ans. Hein. Mhm. Ok. Et euh, une belle déclaration d'amour, hein, cette chanson. Elle était écrite pour quelqu'un Ah, non, moi, je, non, moi, je pense que. bon, pas en tant que tel. Parce que moi, euh, des fois, quand les gens écoutent ma musique, ils ont comme l'impression que le thème, il est là. Euh, genre, je l'adresse. Euh, ouais, on voit l'image de la personne. Ah, non, non, non. Moi, je pense mm. que c'est au niveau de l'écriture, il faut que tu sois, je dans le personnage, tout ça, là, vous voyez, un peu, pour donner le ses côtés hein. réels, là, vous <laughs> voyez, un peu. côté, pour donner, le côté réel va, de, de, de, la chanson. Mhm. Sinon. Mm, mm, je n'ai pas écrit à quelqu'un. <laughs> ben dommage alors. <laughs> Concrètement, Cal, euh, tu as euh, vous avez commencé euh, en quelle année à... Vous avez choisi la musique comme profession en quelle année vous avez commencé euh, Moi, j'ai commencé la musique dans les années 2000, et comme tous jeunes qui ont commencé dans le temps. Parce qu'à ce temps-là, le mouvement rap, c'était un peu comme de la mode, quoi. Donc, dans le quartier, tout le monde est rappeur. Je pense mhm. qu'il y avait l'épidémie là, de, rap qui était là à ce stade là Donc j'avais commencé. Au début, vraiment, c'était juste comme ça, comme ça. Mais au fur et à mesure, je me suis dit que tu as quelque chose. Il faut que tu fonces, quoi. Et surtout quand on vient de loin et quand on a un talent. Moi, je pense qu'on ne peut que s'accrocher à son talent et, foncer. Parce qu'il y a le talent qui ment pas, en fait. Ouais. Et comment votre musique a été accueillie par les mélomanes nigériens Quand vous vous êtes lancé, comment ça s'est passé pour vous ah, moi, je pense que quand j'ai fait mon, premier single, je me rappelle bien, et le jour où voilà, j'ai passé un big up à Ali BC, le jour où il a joué ça sur Ténéré, je me rappelle bien. Le titre, c'était quoi C'était Gouvernance des violences, parce que j'ai rappé à ce stade là en fait. J'avais pas commencé en, euh, euh, en, tant que chanteur, hein, j'ai rappé, quoi. Donc, Ali, le jour où il a joué le son, j'étais gamin comme ça, là, tu vois il était épaté. Après la, fin de l'émission, il a rejoué le son, encore rejoué le son. Parce qu'il a vu un petit gamin comme ça avec tous ses potentiels Et je me suis dit, si ce monsieur-là a fait ça pour moi, ça veut dire qu'il voit quelque chose il y a quelque chose, ouais. <laughs> ouais, c'est pas pour rien. exact, exact. vous avez quel âge à ce temps-là À ce temps-là, je, dois avoir, euh, si je ne me trompe pas, je dois avoir. Euh, je dois avoir 18, 20, comme ça. Je sais pas, 18, un truc comme ça. Ok, d'accord. 18, un truc comme ça. Super. Alors, dites-nous. 17 euh, même. Ok. Mhm. Et, dites-nous, euh, de quoi euh, parle votre musique euh, Généralement, bon, sur quoi eh bon, Généralement, maintenant, moi, je chante sur l'amour. Mhm. Je chante sur l'amour, c'est vrai, sur des trucs sociaux aussi, tout ça là. Mais je me focalise très souvent sur l'amour parce que, qu'est-ce que moi je me dis L'amour est quelque chose à partager. Et aujourd'hui, si nous tous, on arrive à partager l'amour, on vivra dans l'harmonie. Voyez un peu. Donc, euh, raison pour laquelle mes textes, c'est vraiment social et surtout, si je parle beaucoup d'amour, que ce soit entre mère et fils, entre, euh, entre femme et mari, tout ça là, vous voyez, un peu, entre copains et copines, quoi. Entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs, c'est important, quoi. C'est ça l'amour. Rabi, Merci on va marquer une mhm. pause, n'est-ce pas Oui, euh, sinon on va aller en musique avec le titre Kassouan un titre qui parle du célèbre marché Dole de Zander. Allez, on kiffe et on se reprend juste après. Souvent, Andolé, chers auditeurs, auditrices, euh, une chanson bien évidemment qui décrit à juste titre le comportement, n'est-ce pas Voilà, euh, qu'il fallait, euh, <laughs> Il fallait adopter. aller à ce marché. <laughs> Il fallait obliger la population à aller au marché chaque matin. Voilà, on revient avec notre invité du jour. Il s'agit bien de l'artiste Cal. Alors Cal, comme on le décrit souvent, les Nigériens ne consomment pas la musique locale. Selon vous, pourquoi et comment y remédier eh, c'est une très belle question, elle est pertinente et moi je pense que c'est un problème majeur qui, est le mouvement musical est eh, en train de confronter. Et moi je pense que a toute une question d'éducation et de culture en fait. Aujourd'hui, si, si le politicien ne s'intéresse pas à fond à la chose, la population ne peut pas s'intéresser. Je suis désolé, il faut le dire, c'est une éducation, comme je viens de le dire aujourd'hui il, faut ramener, il faut ramener, comment on appelle ça, la culture, il faut mener à l'école en fait. De le bas âge, il faut enseigner aux enfants la valeur de la culture. Parce qu'on a juste toujours tendance à dire que c'est notre identité. Mais bon, c'est juste les mots, quoi. Les gens ne prennent pas ça comme il le faut dans le vrai sens. ok Et moi, je pense que, comme je viens de dire aujourd'hui, pour y remédier, ce n'est pas, un petit, pas un petit travail. Hmm. Il faut retourner en arrière, il faut éduquer les gens il faut vraiment éduquer les gens. Parce que maintenant, c'est presque mort. Hein. La génération qui est là, c'est presque mort. Hein, parce qu'ils sont déjà bourrés par autre chose. quoi. Sauf si vous allez. Toutes les radios et toutes les télés vont imposer qu'à tout moment, on va jouer nos musiques. Et moi, je pense que ça sera un peu difficile. Hein. Ouais Oui, mais on entend également. Euh, certains mélomanes parlaient de l'offre et de la demande ou euh, du manque de qualité des, sons ou des ah textes. Non, non, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez non, Ça, c'est du délire, quoi. Ça. Non, non. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hmm. Moi, personnellement, ma musique, elle sort ailleurs, quand elle tombe sur des mains comme Claudie, ça, quand écoutent, ils sont épatés. Ouais c'est pas c'est pas la musique seulement partout on est bon mhm. mais seulement c'est juste notre pays notre plus grand problème c'est notre pays parce que, en fait, on voit pas ton potentiel, on voit pas ce que tu as. Vous voyez un peu. Alors que dès que tu sors ailleurs, les gens, tu fais écouter. Non, ils, ils, sont dépassés. Ils se hmm. disent, dans ton pays, il y a ça. Alors qu'il y a, comme toi, il y en a des milliers. Mais, est-ce que de votre côté, en tant qu'artiste, est-ce que les artistes uh-huh. arrivent euh, au moins à, à voir comment est-ce qu'ils peuvent imposer cette musique nigérienne à la population Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est pas le travail des artistes. Hein. Imposer une musique. Nous, on est des créateurs. Mm-hmm. On crée. Et aujourd'hui, vous, vous êtes là. C'est à vous. par, exemple, hein? quand je parle d'imposer, uh-huh. quand on prend Arafat par exemple, uh-huh. vous voyez Arafat, il a créé un concept pour imposer, par exemple, la, da <coughs> la Chine, pour okay, vous voyez, il a créé tout un mouvement derrière cette force. Non, voilà, j'ai compris, j'ai mhm. compris, votre question, c'est non. Mais je vais vous dire juste une seule chose. Ne comparez pas la Côte d'Ivoire à un c'est un exemple. Non, non, non, non, non, c'est des exemples, il ne faut pas prendre. Moi, je suis pas, jamais d'accord. Un pays de culture, un pays de musique mhm. et un pays qui, qui n'est pas un pays de musique, c'est pas la même chose. Les gens ne voient pas la même chose. Les gens ne peuvent pas capter de la même façon. Mhm. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'artistes qui font de l'armée en train de s'imposer, s'imposer. Mais jusque-là, les gens ne comprennent pas. Peut-être c'est après qu'ils vont partir, les gens vont dire voilà, ça prend, voilà. Tout doucement. Tout doucement, quoi. Maintenant, on, on vient tout doucement vers la fin de cet entretien avec vous. Malheureusement, le temps, il est compté sur cette émission. Ouais vous avez un mot à l'endroit de nos auditeurs qui nous écoutent de partout au Niger ah, sur cette émission Eh bon, moi, je, ne peux que leur dire merci mhm. et je leur demande de vraiment se câbler toujours sur Kalango parce que c'est ah, pour Moi, moi, quand je suis venu, je suis épaté, hein. je vous dis, moi, quand j'ai quand un sentiment, je l'exprime. Je suis épaté parce que la manière, c'est vraiment professionnel. J'ai passé, c'est pas aujourd'hui, je passe sur des plateaux, mais chez vous, c'est euh, j'ai beaucoup aimé quoi. C'est pro. Non, c'est des choses que moi j'attends, par exemple. Là. Il faut des émissions pro comme ça. Il le faut vraiment. Ok, Rabi, avant de dire au revoir à Cal, ah, est-ce que Cal, vous avez des projets euh, en en je sais pas, qui sont en train d'être cuisinés peut-être euh, pour bientôt, après-demain ou bien dans deux mois, trois mois. Voilà. Et eh, bon, et eh, comment on appelle ça Comme toi, tu sais, j'ai sorti un album en décembre, un album de 19 titres qui s'appelle Guida. Ouais. Et donc, jusque-là, on n'a pas verni l'album. Mais là, on est en train de parler et voir dans quelle mesure faire un grand concert 100% live. Voilà. C'est un peu ça le projet qui est, en cours. Le vernissage de l'album. Ouais, mais rien n'est confirmé pour le moment. On est en train de parler avec des, partenaires avec qui on doit faire. D'accord. D'accord, Cal. Merci, infiniment. Je vous en prie, je vous à notre invitation. invitation. Il n'y a pas de souci, pas de souci. C'est au plaisir. C'était un plaisir de vous mm. À bientôt. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou, euh, nous allons cette fois-ci aller avec la rubrique Justice. Mais avant, on prend une petite pause. Une petite pause, c'est nous. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, comme annoncé tantôt, euh, mesdames et messieurs, nous allons parler dans la rubrique justice, hein, nous allons parler de la diffamation. Elle consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'image ou à la dignité d'une personne. Alors, est-ce qu'elle est réprimée par le droit pénal Quelles sont les sanctions encourues par un acteur de diffamation Réponse avec le magistrat Nani Soli au micro de Rafika Attaher la déformation, même lorsqu'elle est commise par euh, un moyen de communication électronique, c'est une infraction intentionnelle. Donc, l'élément moral de l'infraction est lié. Mais, comme je dit, la fatigue et de prendre la jurisprudence, c'est qu'il y a une présomption de l'existence de l'élément moral. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un tient des propos donc, qui portent atteinte à l'honneur ou à la dignité d'une personne, et que la victime de ces cette information-là porte plainte, eh bien là, il apporte le ministère public, puisque c'est lui qui a la charge de la preuve en c'est lui, qui en compte, donc la de la preuve, c'est à lui, c'est lui qui doit apporter la preuve, donc du concert avec la victime, donc il doit apporter la preuve de la commission de l'infraction. Mais dans le cas de la diffamation, il y a une présomption, c'est-à-dire on présume que l'élément moral existé. Maintenant, il appartient à la personne qui est poursuivie prouver qu'en réalité, elle n'avait pas l'intention, comment on appelle ça, de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne diffamée. Il y a une présomption, c'est-à-dire on considère que l'intention de nuire, l'intention de, de, nuire à la réputation de la personne existe. Maintenant, c'est à vous qui est poursuivi, qui est devant la barre, et donc, de prouver que, euh, en réalité, cette intention-là n'existe pas. Sinon, c'est une infraction intentionnelle. La diffamation aussi, c'est une infraction, ça peut être dirigé contre un groupe. Contre, c'est pas seulement contre des, individus, contre des particuliers. la diffamation aussi peut euh, viser un groupe bien déterminé. Maintenant, c'est des estimes que ce qui a été publié là constitue une diffamation, il doit porter plainte et de haute Et donc là, ça peut, le temps de faire des vérifications, de voir que ce qu'on a dit là, en fait, c'est j'ai trop attiré l'attention, le monde est déjà fait. Donc là, elle peut porter plainte de haute terminale pour diffamation et, et si le fraude fait établi, on peut condamner. Il y a, d'autres voies pour pouvoir sensibiliser déjà que de jeter la matière sur ces personnes. Merci bien, Rafika Attaher. Sinon, nous allons faire un autre tour en musique cette fois-ci. Nous partons à la source avec ce titre purement traditionnel de l'artiste Balano Savons ensemble et on se capte après. kudi wanda ya zama le temps. Hein. Exactement, comme euh, tu as eu à le dire, en tout cas, nous sommes allés à la source pour euh, prendre ce titre de euh, l'artiste bala Balana tout en espérant que nos auditeurs ont kiffé. Ok. Direction <laughs> Gengimi à présent pour le reportage région. Oui, Rabi, euh, dans certains villages du département de Ngingimi, jusqu'à présent, beaucoup de parents ne pratiquent pas l'allaitement maternel exclusif. Et selon les agents de santé, il est recommandé d'allaiter exclusivement les enfants de 0 à 6 mois au lait maternel. Un reportage d'Abdoulaye Meina. Dans le département de Ningimi, plus précisément dans le village, beaucoup de parents ne s'adonnent pas à l'allaitement maternel exclusif avec toutes les sensibilisations que font les agents de santé sur son importance. faran parents a salayya Salaya prim. Mu zamanin iyayenmu da kakanninmu wannan ba mu san wannan abun ba. Daga baya ne likitoci suka fara fa'intar da mu cewar in ka aihi yaro kar ka bashi ruwa har wata biyar zuwa shida wannan mu daga baya ne mun kasan shi amma in dai dan baikon nono gaskiya dai ni ban taba yi ba. Yara guda wajen takwas na tara amma dai Allah bai sa ba dai ko ɗaya daga cikin su na yi ma wannan ada ta a ce ban ba da ruwa ban taba yi ba dai gaskiya. A namu dai mu sai mu ce in baka ba ma yaron ka ruwa war yaron zai samu matsala gaskiya mu dai haka nan muke cewa da shige mu fahimci me ake nihi da haka nan ba ni gaskiya bai ko nono wannan ban san mahimmancin shi ba amma na tashi na gani tun iyaye da kakanni yanda suke yi mu daga an haifi yaro ana bashi ruwa kuma nono wannan ba zan can waya dauke mai ko kuma wata shida ba mu kawai muna gani ko da yaushe ne suna bashi kan lokaci sai ya kai matakin lokacin yayi amma ba za ka gani yana yawan masassara ba amma a gani na mu din namu gaskiya yaran za gani duk yawanci masassara ta zamani yanzu din zai gani wanda ya samu yashe nono sai ga baya yin yawan wannan. Pour Madame Isufu Khadijatu Abdullahi Chef du CSU 2 de Ningimi Il est très important d'allaiter exclusivement les enfants de 0 à 6 mois avec les lait maternels pour une meilleure santé du bébé. wani madara ba ɗaya ki da shi ba yaron da ya sha nono zalla bai wani cututtuka wani matsalan numfashi sunan dai wani ciwon kunne wani wasu yan kuraje kuraje wasu abubuwa haka nan da yaro baya yin su yaron da ka ba ma nono zalla ya sha shine yaro dan sumul sumul ba wani cututtuka insha Allah wani cidi ma in zai yi da ake ce ma dentition baya shan wahala wani infection wani matsalan hitsari wani wani idan yaro ya sha nono dai ko zilla nono uwa baya saka shi wa'annan wasu cututtuka danki ba zai fada cutar da ake ce ma kenan tamuwa. Les agents de santé doivent continuer à sensibiliser les parents sur l'importance du l'allaitement maternel exclusif pour des enfants bien portants. Cher auditeur, on nous signale euh, Abdoulaye Maina au bout du fil. Maina, bonjour. Euh, Ahiyalo, inakwana. Alhamdulillah, ya aiki. Alhamdulillah, ito Maina mun ji naka. Yanzu muna so mu sani wai banda wannan nonon eh, na, na uwa, menene wannan matan suke son baɗiyan nasu? Eh to, kamar yadda da mu da masu sauraro duka muka ji a cikin wannan rahoto da na gabatar mm-hmm. eh, za ki ga mafi yawancin su waɗannan iyaye sun yi bai ma yaransu kunu da kuma nono misali na dabbobi wayanda mm. suka hada da kaman awaki ko kuma tumaki da sauransu da kuma kila yi ma yara kunu na hatsi ko na dawa ko kuma yi ma yara kunu na kekobido a matsayin su ba su nono tsantsa din. yo rishin nonon ne mine ne yake sa haka kin nonon ne eh, babu isasshe koko mine ne eh kamar a yawancin tattaunawa da muka yi tare da waɗannan iyaye sun nuna cewar ba nonon ba ne babu kamar tana yiwa akwai karanci na wayar da kai ko kuma tsoro na abin da wai zai iya jewa ya dawo bisa fannin abin da ya shahi lahiyan ɗiyansu kamar yadda mm. waɗansu daga cikin waɗannan iyaye suka yi bayani a cikin rahoto sun ce su ba su taɓa tashi suka gani ba ko daga iyaye da kakanni kamar sun saka hakan ne a kan su ganin idan kamar ba su ba ma waɗannan yara na su ruwa ba zai kawo musu illa ko kuma kila yaran za su mutu ko kuma wani abu haka dai. Oh, to yau rashin ba nonon babu bai da kamar wasu illoli da aka ɗago da su a can eh, asibitin na gari na ƙauyukan. eh kaman sun ce rishin ba da nonon yana sa kamar rishin kuzari ga shi yaron da aka haihuwa din mhm. kamar jikin zai dan saki bakin kila zai kasance mai yawan zub da lallari kuma yaron ba zai yi hazaƙa sosai ba a tattaunawa da muka yi da jama'an da ke kula da kiwon lafiya. Hmm. to mai mun gode da wannan rahoton da ka gabatar masha Allah sai kwana biyu kuma insha Allah merci wala <laughs> Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et oui, voilà, à l'instant, c'était bien le reportage en région. Retour au studio avec notre chroniqueur sportif. Il s'agit bien de Gourouza qui va nous donner les informations sportives de ce matin. Bonjour Gourouza. Ah, bonjour Rabi, bonjour Sino. Bonjour. bonjour. Ah, Alors, Gourouza, c'est euh, voilà, c'est l'heure du sport et nous avons la sélection nigérienne U23 qui a été écartée de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Maroc. Oui, Rabi. Euh, le Mali U23 a battu le Niger sur le score de 2 buts à 0. C'était le samedi au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat pour le compte euh, de la troisième journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Ce faux pas de la sélection nigérienne en quart de finale est synonyme d'élimination directe. Mais l'entraîneur nigérien Zakariaou Ibrahim estime que c'est une belle expérience. On a bien vécu, c'est une belle expérience. Avec une équipe très jeune, on va effectivement tirer les enseignements de toutes les deux semaines qu'on a pu passer en terre euh, marocaine. Euh, globalement, moi je crois que pour une première, on a été éliminé en quart de finale. On était vraiment à 45 minutes d'un espoir historique. Mais vraiment, les gens ont tout donné. Donc, ont a quelques erreurs. C'est dommage, c'est des erreurs de jeunesse qui vont nous servir à l'avenir. Nous avons un bon souvenir, nous avons fait des belles choses. Nous avons fait un match contre quand même le terrain des titres sortants. Nous avons sorti le Gabon, les grands pays de football. Maintenant, on vient d'être éliminé par le Mali. On ne regrette pas d'avoir assisté vraiment tournoi. Nous allons tirer les enseignements de ce match qui vont nous servir euh, sans doute à l'avenir. Vous venez de le dire, euh, le Mali, c'est sa troisième compétition aujourd'hui sans déni. Nous aussi, peut-être dans 4 ans, on sera en finale, pourquoi pas. On va continuer à travailler, se remettre en cause, vraiment corriger nos lacunes à tout point de vue. Et oui, euh, voilà, Gourouza, retour avec vous. Euh, quelle est la suite de la compétition Oui, c'est nous euh, pour le classement dans ce groupe B, l'Égypte avec 7 points est leader du groupe, suivi du Mali 6 points, du Niger 4 points, enfin le Gabon en queue de peloton. Les demi-finales vont se jouer le mardi entre le Mali et le Maroc et l'Égypte sera avec la Guinée-Conakry. Les trois équipes en tête du classement de l'édition 2023 de la Cannes U23 se qualifient directement pour les Jeux olympiques de Paris 2024. La quatrième, en tout cas, équipe disputera le match de barrage intercontinental contre une équipe d'Asie. Voilà pour le sport aujourd'hui. Merci, infiniment. Gouza, <laughs> à très bientôt. Merci. Chers auditeurs, euh, le Niger sur Kalangu se poursuit avec la rubrique portrait et ce matin nous portons à la découverte de Zaria Toali, une sexagénaire vivant à Tilaberi, veuve et mère de six enfants. Oui, Zaria vit principalement un principalement des revenus issus euh, de son activité euh, de revente de riz mis à sa disposition par certaines personnes. Un portrait de Farid Bourema. irsin da gonya fo kurduku wodir ga hawu wodir ga curkosu ndir faru boray se baso mo wodir ga kabadan ki gaddi ki yendi kali ima kogo ima safa imi fari konku fofo kanko falla kaydi din ka ko hawru irsinda goy kulkal so son jirmargi na kan dubun bo ni gogoyowo woti jiri waran sa kai gogoyo wara wayta ta haram ay sinda bor kulka eh, ay ru ko bo ay gonda zanka bo nay zanka dinay gogo koy ay go ginonde zanka margino zanka iduno. igo hije furalisi kay man hije jina falla ka ka hije ngamir ko tala manano fondo ka alam bumbono gumwa safa arma iga fufu arma doboka so wewe noma asafa ima doboka wewe wananda mowa kangi wana mowa dingino mani makatiri ma faru hanin na faru din cindai min no konku hinka cindai min no konku fo cindai min no konku tajo wodi ndir ko hawru do bo wo ima netse cinda sani se cinda nanga kwanda cindai ma ni sirma nera zangu waranka irma kwanda kate hojjire irgo yo dene so aran ne garan no kong fo konku ya kine wat sak fo gano aran du kong fo wal sak mari saku sak fo cin dai mo saku hin ka kong fo ni bai barko da ni bino taka cin dai fo lo ni ginno ma wai kanga baka yirse iginno ki hinki za wati no jara a fa jarate wajjanai irma jara ko jara ka hu goyo wara yadinga aran du na fubobo wallahi ka hawru ka ko so kai halde ko andir ka jara ka hawdu ma te hojjane ara sigdu darbe yende yara wallahi ha kudir mana da yara ha kudu kir mana da yara irman hawda yara irman mota da yara irman hedi fo da yara der irwe nanga gara der ko min no hawra da ko sen mo koyna zanda bodu ho ho wa kiddu boy boy der ko an chaba suba irsidu da bare kanga bakadir sen di ka ko hun gungaira ndiro man sen ma fara kadir kon kay za ka ni bumbo so ni ban ni sindin bon plawo kan ni gwe ai sinda ai sinda ba amma jin duni ba da du kai gaba hana dai kana sai ga gwe ai ga du barkan na gwe shi o amma sinda ha kul ga kul sinda ha kul kan ga pala kai kul shi wo wo de tir gwe wo wo de tir gwe ma wai wai no maka sambu bore do ngimo ngimo nan ga sambu bore do halila sambu bore do

sur le Niger sur Kalangu, du studio Kalangu. Et eh oui, Rabi, tu vois, de l'autre côté de la vitre, il y a Kader qui a un <laughs> Apparemment, c'est son titre préféré. <laughs> non, mais c'est bon, il gère, il gère. En tout cas, il, aime, il aime ce titre et c'est bien Kader. Tous ceux tout ce qui parle de l'amour, il, hein, il, est intéressé. Il, il est à fond avec nous là. <laughs> Passons au loti à présent. Aujourd'hui, le desk femme du studio Kalangu traite de la question de l'hygiène postnatale. En effet, elles sont nombreuses les femmes euh, qui utilisent des plantes médicinales, des plantes autant pour moi, médicinales pour faire leur euh, toilette intime. Cette pratique a un impact sur la santé de la femme. Bref, une pratique à bannir. Écoutons euh, cette discussion entre Mariama Diallo et Rabi Meikano, vous-même. <laughs> Affairage, affairage, affairage, affairage. <laughs> Hmm, je te dis pas, ma copine. Moi, depuis mon accouchement là, je saigne tellement que je ne sais même pas comment gérer ça. Mais qu'est-ce que tu racontes là Regarde par exemple, pour éviter les infections et être propre. Évite déjà tout ce qui est gel de douche agressif, produits alcoolisés et savon parfumé. Pour ta toilette intime, utilise de l'eau tiède, du savon de Marseille et des serviettes propres. Serviettes Les mêmes que j'utilise là pour mes menstrues ou bien il y a des serviettes spéciales Oui, les mêmes serviettes que tu utilises. Tu peux aussi utiliser du coton, des tampons ou encore plus économique parce qu'on se connaît. Hein. Quelquefois, c'est compliqué. Utilise du linge propre que tu dois changer trois fois par jour ou même plusieurs fois au besoin si tu saignes beaucoup. Regarde, ton simple pagne là, tu peux le découper en morceaux. Il fera l'affaire. Assure-toi juste qu'il soit bien propre. Ah, ça, c'est facile. Mais pour ma toilette, je fais comment C'est aussi simple que ça. De la même façon que tu saignes, c'est de cette même façon qu'il faut que tu te changes. Donc, ta toilette, tu la fais autant de fois qu'il faut. Hein aussi simple que ça Mais attends, tu me parles de savon parfumé, l'eau tiède, <laughs> tu oublies nos petits secrets, <laughs> les plantes magiques qui font des miracles. Non, non, non, non, surtout pas. C'est à bannir ces pratiques-là. Ça peut être dangereux pour ta santé. En plus, dans cette période, l'organisme de la femme est très sensible. Et tu vois, ma copine, sois très attentif si tu remarques que les saignements changent de couleur ou d'odeur. Cours vite voir un gynécologue. Un ah bon Merci ma copine. Tu es géniale. J'ai bien compris tout ce que tu viens de dire. tu connais pas le bonus. Tout ce que je t'ai dit te permettra de retrouver ta fraîcheur. Ça, ma chérie, c'est vrai affairage. <laughs> La suite dans les groupes WhatsApp. Affaire Affaire Affaire C'était là le loti de l'équipe femme du studio Kalangu. L'émission Le Niger sur Kalangu, c'est aussi de la culture linguistique. Et oui, Rabi, à l'occasion de la journée internationale des coopératives célébrée hier dimanche 2, Jackie euh, Dalton nous édifie sur le mot coopératif. Hello, dear listeners. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ce week-end, c'était la journée internationale des coopératives. Arrivez-vous à deviner comment dire cela en anglais Alors pour rappel, parce qu'on a vu ceci dans un autre épisode, journée internationale, c'est International Day. International, vous devinez ce que c'est, international, day, c'est journée ou jour. International Day. Et ensuite, coopérative, c'est le même mot en anglais la prononciation est un peu différente. C'est cooperative, cooperative, cooperative. International Day of Cooperatives. International Day of Cooperatives. A cooperative is an organization or a business. Une coopérative est une organisation ou une entreprise that is owned and operated by its members, qui est détenu et exploité par ses membres. Et un mot-clé dans tout ça, c'est share. Share veut dire partage. Donc, dans une coopérative, in a cooperative, the members share resources. Les membres partagent les ressources. They share profits, ils partagent les bénéfices. They share decision making. Ils partagent les prises de décision. Allez, un petit quiz maintenant. Comment dire journée internationale C'est International Day. Comment dire journée internationale des coopératives International Day of Cooperatives. Et enfin, le mot partage en anglais Cher. Cher. Bravo. Et n'oubliez pas de nous contacter si il y a un mot que vous souhaiteriez connaître en anglais. Cooperative. That was today's English word. Merci Jackie depuis euh, Lausanne en Suisse, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots et expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. Abdullahi kan Abubakar Abarshi. Ni mai sauraron studio Kalangu ne ko da wani lokaci. Kowa da kowa yana ba da su gare su insha Allah. Waɗanda ba su lahiya Allah ubangiji ya ba su lahiya. Hatta ma'aikatan su kuma yana yi musu barka da sallah. Kalangu pe être vraiment apprécié comme étant un laboratoire vraiment d'information. Ça donne la vraie et la bonne information. Mais seulement nous remarque c'est le temps. En fait, c'est un peu court. Donc il faudra un peu vraiment savoir si possible vraiment, plus de temps vraiment. C'est la remarque vraiment que nous pouvons faire. Et si possible encore, élargir vraiment les, la diffusion de l'information. C'est en fait euh, plus brièvement ce qu'on a à dire concernant votre studio. Vous diffusez la bonne information et vous êtes vraiment in a école vraiment à ce qui concerne l'information. ma maruke president musu boss kan gogaya ai wo studio kalangu hangal kono gumgum woni o wat kula ga studio kalangu hangal ai wo sigire kai gite ki sigira kan kane sai gumgum gumgum woni ingaki sigiro kai gite danga matasa wana samdi dimanshi wana da kigite hadi a hasil kane sai no gungumo zamagi yele no lokcodel mu kawtoy ma hangan zamani di igoga sai no bon feere hannu hakan ganin ni hankan kati borse masala da hankan borguwa da masala kulni di sigiro di rai gaki borse ya ringa igoga jenesai bon ai e fere masala kan borege bai za girba dadi son kan borai e banga fam kan irko kate studio kolongu albarkanto nidi matasai igoga studio kalangu hangan gungumo ne zan wanda zai ga hangan a osi zai ga hangan ne dafti ga ibin goga hangan yarin gari ko talama albarka da studio kulangu bore kul ga studio kalangu ga Amin Soumamine, c'était là euh, le message vocaux de nos auditeurs. Accueillons à présent Rafika Atayer hein, euh, pour, découvrir les titres de la grande édition du soir. Bonjour. Bonjour Rafika. Rafika. Bonjour Rabi, bonjour Seno, comment vous allez ça, va, Alors, euh, une nouvelle ligne d'interconnexion électrique est en construction à Zabori. L'annonce a été faite lors de la visite effectuée par une délégation du ministre de l'Énergie le 1er juillet sur le champ des pylônes de transport électrique effondrés. Nous parlerons aussi dans le journal Le 17h des conséquences du retrait de la MINUSMA du Mali sur le Sahel. Et enfin, la partie magazine de ce soir va porter sur les sanctions pénales encourues par un acteur de viol. Voilà, c'est euh, la fin de cette émission. Merci Rafika. On se dit à ce soir. <laughs>